le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 28 février 2020. Le forum de la presse, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Nos échanges de ce soir tourneront autour de trois sujets principaux, notamment sur le plan administratif, nous aborderons l'audit mené au niveau du ministère de la Défense nationale qui fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours ici au Niger. Sur le plan humanitaire, nous reviendrons sur la rencontre lundi matin entre le Premier ministre nigérien et les partenaires au développement autour du plan de soutien du gouvernement et du plan de réponse humanitaire 2020. Et enfin, nous terminerons par la réunion des chefs d'État du G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie, pour discuter de la stratégie de lutte contre le terrorisme dans leur espace commun que le G5 Sahel. Autour de la table pour en discuter, nos confrères Hussein Issa, journaliste freelance, euh, Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Et je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par le fameux audit réalisé au ministère de la Défense nationale. Cet audit qui fait couler d'encre et de salive depuis quelques jours. Mercredi 26 février dernier, le gouvernement nigérien a sorti un communiqué officiel qui précise que l'audit en question, le premier du genre, à relever des insuffisances dans les procédures de passation des marchés ainsi que dans le suivi de leur exécution et à formuler des recommandations. Sur la base de ces recommandations, le gouvernement a décidé 1. De faire rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation, soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués. 2. De transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refuseraient de s'exécuter 3. De prendre des sanctions administratives appropriées à l'encontre des agents publics incriminés et de renforcer en compétence l'administration des marchés du ministère de la Défense nationale. 4. De refuser, de réviser les procédures de passation des marchés qui pour raison du secret de défense, ne font actuellement pas d'objet de publicité ni de communication en Conseil des ministres. Alors, je commence tout de suite par vous, euh, au Ousseini Issa. Quelle analyse vous faites de ce fameux Zodi qui se confirme avec ce communiqué officiel du gouvernement du Niger Pendant longtemps, toute question relative aux questions défense reste restée secret défense. D'abord, le fait de maintenir euh, les secrets défense, les questions, les questions de sécurité, moi je dis c'est une aberration dans un pays. Les citoyens doivent savoir parce que c'est l'argent public qu'on mobilise pour euh, faire fonctionner, comme avait dit, les forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, quand euh, l'audit, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, sinon ce communiqué-là n'allait jamais être fait, ils sont coincés, ils sont coincés du fait que ils savent que les gens sont au courant. Et celui qui a diligenté l'audit, c'est quelqu'un quand même <laughs> du principal parti. Quand même, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un du principal parti au pouvoir. Vous voulez parler du ministre euh, de, la Défense La Défense, c'est celui qui a décidé, il veut voir clair. Il veut voir clair parce qu'on ne peut pas dire qu'on a injecté des milliards et des milliards dans, dans, avait dit, dans le renforcement des forces de défense et de sécurité. Et qu'on se retrouve dans une situation où coup sur coup, on a connu combien de morts entre décembre et, janvier. Et c'est pour ça qu'il a voulu voir clair. Et moi, je dis, c'est déjà quelque chose de très important. Maintenant, quand je lis dans le communiqué, on parle de supputation. Mais ce n'est pas de supputation. À partir du moment où c'est reconnu. Maintenant, et l'autre aspect qui a retenu mon attention, qu'on dise que bon, ceux qui ont détourné euh, ces milliards-là, en tout cas qui ont détourné, parce que moi j'appelle détournement le fait que bon, on te donne un marché, d'abord tu vas aller acheter des armes qui ne sont pas, en tout cas, euh, adaptées pour la lutte qui est en train d'être menée et qui te livre ça, et que les gens réceptionnent. C'est un véritable problème. Et je me dis, quand on dit non, c'est là les commerçants du, du pouvoir, qui, ont eu ces marchés-là, on leur demande de payer. Non, on n'a pas à leur demander de payer. Non seulement on doit les prendre d'abord, parce qu'à partir du moment où c'est avéré, c'est pas une supputation, c'est avéré. Hmm. Ils ont détourné l'argent. Il y en a qui n'ont pas livré même les, comment dire, les marchandises ou les, les, ceux qu'ils devaient livrer à l'armée. Hmm. Moi, j'ai dit, ce n'est pas au gouvernement de gérer ça. C'est à la justice. C'est à la justice. On a vu des cas dans ce pays ou pour des montants de moins d'importance, on a pris des gens, des personnalités politiques, on les a jetés en prison. On dit non, on n'a même pas besoin que ça soit remboursé. Mais ici, c'est des milliards. On dit euh, conditionnel, hein, qui refuserait. de s'exécuter. Mais non, on n'a pas besoin d'attendre. C'est un dossier qui doit être remis entre les mains de la justice. Toutes les personnes impliquées dans cette histoire-là. Parce que la gravité de la chose, ce n'est pas seulement le détournement des mais c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça, c'est très important. Pour vous, non, non, non, ces détournement au-delà de, de l'argent détourné, on a entendu, On a entendu le président dire que ceux qui disent que les forces étrangères doivent quitter ce pays sont plus encore, euh, comment mm. veut dire... Non, laisse-moi finir. Sont encore plus dangereux que les djihadistes, que les qui les armes. On l'a entendu. Mais alors, ceux qui vous livrent des munitions qui ne peuvent pas percuter, qui livrent des armes qui ne sont pas adaptées. Mais comment on peut dire à ces gens-là, non, non, non, bon, vous pouvez payer, une fois que vous aurez payé, vous êtes exempté, le dossier, non. Il y, a non seulement euh, le côté, comment on veut dire, et le côté, il faut payer, mais également rembourser, mm. mais il y a également l'infraction pénale. Mm. C'est important. C'est important. nous allons revenir. Nous allons donner la parole à Maimouna Diado de la télévision Tambora. Mm. Euh, quelle est votre, la première analyse que vous faites au vu de, cet audit qui, en tout cas, a fait couler beaucoup d'encre, en hein, au Niger. Et, finalement, mercredi, le gouvernement euh, sort un, un communiqué officiel pour donner quelques détails autour de cette affaire. Quelle est la première, la première analyse que vous faites Bon, la première analyse euh, que moi je fais de ce dossier, c'est qu'il fallait s'attendre à ça en fait. Vous n'étiez pas surpris On j'étais pas surpris véritablement parce que je savais qu'il n'y aura pas de sanctions aussi sévères à l'encontre donc de ces gens-là. Et parce qu'il fallait, il fallait d'abord analyser la situation. Il faut regarder tous ceux qui sont aujourd'hui incriminés dans ces dossiers, ce sont des, dignitaires, si je peux le dire, de ce régime. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens ont contribué à faire du d'estaré à ceux qui sont aujourd'hui. Mm. Donc, il fallait justement analyser dans le sens que aujourd'hui, il y a eu plusieurs dossiers. Il y a eu plusieurs dossiers qui euh, peut-être qui ont le même contenu ou presque le même contenu comme infraction pénale, mais qui n'ont pas été également traités de la même sorte que euh, se ce communiqué. Est-ce que Donc, vous êtes en train de, de, nous dire qu'il y a eu des, cas similaires, mais qui ont bénéficié d'un traitement différent Oui, qui ont bénéficié de traitements différents. Ici, nous sommes au Niger et nous savons que ça a toujours été comme ça. Mais venant du pouvoir, il fallait s'attendre. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que pour quelqu'un qui a détourné les fonds du ministère de la Défense jusqu'à hauteur de 1000 milliards, 700, 1700 milliards, parce que c'est, oui, c'est le montant qu'on juge qui a été aujourd'hui détourné et que ces gens-là aujourd'hui doivent payer uniquement le montant dont eux ils ont détourné et rester en tant que simple citoyen qui, <laughs> au même, au même pied d'égalité que moi, par exemple, ou que je, je n'ai pas détourné, et on se retrouve encore, encore dans la même euh, ville, on se regarde, on se regarde, et il n'y a pas de sanction, non seulement du côté, euh, par exemple, du pénal aussi, parce que même si on demande à une personne de rembourser, ça veut dire que la personne a fait une faute grave. Et cette faute grave, c'est l'infraction pénale. Mm. Et aujourd'hui, à quoi est-ce que nous, nous pouvons nous attendre sur cette infraction pénale Et c'est la question aussi, qu'il faut se demander. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un qui a détourné des milliards de rembourser. Et celui qui a détourné quelque chose qui ne vaut même pas un million aujourd'hui qui se retrouvent en prison. Il fait comment parce qu'on est tenté de faire peut-être la comparaison avec les voleurs. oui, oui, oui. Donc ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui on ne devrait même pas avoir de, prisonniers en prison. Mm, mm, mm. C'est ça que ça veut dire. Alors, et, et, et aujourd'hui, j'ai pas fini encore. ça veut dire que ça va inciter encore d'autres personnes à plonger dans la même situation et la corruption, on ne finira pas de parler de la corruption dans ce pays. Issa Madougou, on ne finira pas de parler de la, corruption euh, au Niger. Euh, est-ce que vous êtes d'avis bah, Écoutez, dans un pays où on banalise la corruption, ce n'est plus un délit. <laughs> Qu'est-ce qu'il faudrait vous attendre C'est un peu paradoxal comme euh, quand je vois le Niger en tête de ligne pour aller demander à ce que les partenaires techniques et financiers financent la force du G5 Sahel. Alors vous, vous ne faites pas d'efforts pour moraliser la gestion des fonds publics et vous demandez que, au, plan national. au plan national, vous demandez que quelqu'un vous donne son argent pour que vous financez vos, vos activités. Mais c'est paradoxal. De toutes les façons, c'est extrêmement grave depuis ces dernières années. On ne sanctionne pas. Le détournement des deniers publics est devenu un comportement on a un peu dépénalisé en quelque sorte le détournement des données publics. Vous pouvez détourner autant que vous voulez. Si vous êtes du régime, allez-y dormir tranquillement. Oh, Se, communiquer. Est-ce que ça, dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend Mais non, mais écoutez, c'est extrêmement grave ce communiqué. Parce que, Pourquoi Parce que ça met de côté. Moi, je ne veux pas quelque chose qui touche la justice. C'est la justice qui fait un pays. Normalement, ce dossier, ce n'est pas au gouvernement de décider. Si le rapport, l'audit est fini, l'infraction a été constatée, remettez le dossier à la justice. Vous n'avez pas besoin de décider. Vous avez décidé quoi Puisqu'il y a un corps de service spécialisé pour traiter ce genre de questions. Alors, quelle décision vous allez prendre mm. Pour demander à des gens de payer Dans ce pays, on a vu que des gens, parce qu'ils ne sont pas seulement du, pouvoir, des gestions antérieures même à la gestion de la 7 République, ont été dépoussiérés pour que ces gens puissent se retrouver en prison. C'est quoi, pendant des années, c'est quoi cette euh, façon de faire la justice Alors ce n'est pas de ça que le Niger a besoin. Le Niger a besoin d'une gestion rationnelle. Moi, je me rappelle en 2011 que quand Issouf avait pris le pouvoir, parmi ces slogans, moi, qui m'a vraiment fait... Vous parlez du président, de, la président de, la République. Il y a des slogans, il y a un projet qu'il avait dit, que moi, s'il si, y a quelque chose qui m'a rassuré, c'était ça, l'efficacité de la dépense publique. Mm. Alors, neuf ans après, quand on essaie de regarder de 2011 à aujourd'hui. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'impression qu'il y a cette efficacité de la dépense Quelle efficacité de la dépense ensuite Aujourd'hui, c'est quoi on a des artisans des textes au Niger. Chaque fois, on essaie de modifier les textes pour faire plaisir à certains d'autres. Comment se fait-il que des gens qui ont contribué par exemple, tout à l'heure, je reviens sur ces, propos du président de la République où il dit ceux qui critiquent euh, pour dire que les bases étrangères doivent quitter, mm. ils, sont, ils font pire que ceux qui tuent nos forces. <laughs> Mais ces gens ceux qui sont détournés, c'est également des complices des terroristes parce qu'ils n'ont ils ont, ils n'ont pas donné les moyens nécessaires. C'est pas trop fort de... dire qu'ils sont des complices des, terroristes. Mais attendez, qu'est-ce que dit le communiqué à chaque fois qu'il est atteint mm. Des assaillants lourdement armés. Mm qui ont eu le dessus sur des forces régulières. Ça, ce n'est pas une honte nationale qu'on le dit officiellement que des gens, la puissance du feu de l'ennemi. C'est des termes qu'il faut, il faut bien analyser. Mm. C'est, mais c'est une honte quand un État communique de cette manière pour dire que la puissance du feu de l'ennemi mm. n'a pas laissé le choix à nos soldats. Mais c'est une honte quand dans un pays, près de 20% du budget est alloué à la défense et que même gouvernement est incapable de gérer d'une manière rationnelle ce fonds afin que l'équipement, la prise en charge de ces hommes qui ont choisi librement d'aller défendre l'intégrité du territoire puissent être dans les conditions. Aujourd'hui, c'est des gens en Djalabia qui viennent qui assassinent nos militaires. C'est des gens qui viennent en moto. On a décaissé l'argent pour qu'on puisse les équiper. Aujourd'hui, vous-même, ça ne vous fait rien aujourd'hui qu'on vous dise que des gens sont venus en Djalabia sur des motos tuer nos forces de défense et de sécurité. C'est ce, ces gens-là, mm. aujourd'hui. C'est ce qu'il faudrait faire. Alors, Issa, vous dites que dans ce communiqué, il y a quelque chose qui est grave, qui ne va pas. C'est quoi Mais c'est sur la base des recommandations, le gouvernement décide. Qu'est-ce que le gouvernement va décider Moi, c'est le mot, c'est les quatre points. C'est ça que je ne comprends pas. Mm. Dans un pays où, on a une justice. La justice se, faire la justice, on Si le gouvernement est d'accord avec. C'est même là-bas qu'il y a aussi une banalisation des services de la justice. Non, on a des magistrats aguerris aujourd'hui qui sont capables de faire ce travail. Pourquoi on ne les laissait pas Ils sont payés pour ça. Mm. Mais quand ils font leur grève, on dit non, les magistrats ne travaillent pas. Mais si aujourd'hui, dans une affaire où on devrait faire appel au magistrat, vous le mettez de côté. Demain, vous faites quelque chose dont il dit qu'il n'est pas d'accord pour juste revendiquer ses droits légitimes. Vous allez dire que non, d'ailleurs, les magistrats ne travaillent pas dans ce pays. Non, c'est ça qu'il faut, il faut essayer d'abandonner. Il faut s'inscrire dans une logique où la transparence, la bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte international. J'ai commencé par là et je terminerai par là. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous donner leur argent pour vous aider à venir à bout d'une situation anormale pendant que chez vous, l'argent public, vous n'êtes pas capable d'assainir le domaine, de cadrer, d'encadrer la gestion et les dépenses publiques. Mais c'est extrêmement grave. C'est vraiment, c'est aujourd'hui, c'est tout le monde qui est au courant. oui, ça, nous sommes dans un, dans un, processus qui a été quand même entamé. Il y a eu cette audit, on l'a dit, le premier du genre. Qu'est-ce que vous craignez dans ce processus vous pensez que les gens vont payer Vous, n'y croyez pas hein? Non, mais quel est le mécanisme Le gouvernement doit être clair. Qui doit recouvrir ces fonds Si aujourd'hui, si on nous dit que c'est le procureur qui a été chargé mm-hmm. de recouvrir les fonds là, au moins là, les Nigériens seront d'accord. Hmm. Parce que c'est la justice. Quand vous ne payez pas, on sait qu'il y a l'infraction qui va être activée. Mais aujourd'hui, il n'y a, a, pas d'interpellation, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas une enquête minutieuse. Que, parce qu'on sait que aujourd'hui, c'est très simple. Pour vous, que... vous ne voyez pas de signe de, réalisation. non, tout ça, moi, je, pour moi, c'est juste pour calmer le jeu, pour faire divertir les Nigériens et faire taire le débat. Mais je vous assure que ça, c'est une grosse erreur que le gouvernement vient de commettre. vraiment, ce n'est pas de l'avis des Nigériens. Hussein Nissa, est-ce que vous êtes d'avis avec euh, Issa Madougou C'est pour, pour divertir que ça n'aboutira pas en fait, c'est un enterrement de première classe. Enterrement Oui, c'est-à-dire l'affaire a considéré que c'est enterré. Non, non, non, non c'est fini. C'est-à-dire c'est vraiment première classe. Parce que. pourquoi vous dites cela Non, mais non. Non, c'est pas au gouvernement, ça vient de le dire. On sait quand même que c'est pas, en question. Non, regardez, regardez, dites-moi, quand il y a eu l'affaire de la Souraz là, les 6 milliards de conteneurs détournés là, est-ce qu'ils sont sortis dire à quelqu'un que voilà un tel a remboursé à hauteur de tel montant, un tel a remboursé à hauteur de tel montant C'est une, façon de, de, mettre le pied sur, euh, comme avait dit, bon, on a juste euh, euh, calmé un peu l'opinion pour dire voilà ce que nous envisageons de faire. Qui vous dit que ces gens vont payer Qui vous dit On leur dit de payer des milliards. Mais alors, même si on vend tout ce qu'ils ont comme bien là, est-ce qu'on peut mobiliser l'argent qu'ils ont détourné Parce que tout simplement, il y a plein de gens qui sont associés dans ces affaires-là. Eh Et que, bon, la meilleure façon de, de calmer un peu servir, c'est comme euh, comment vais-je dire C'est une façon de dire aux citoyens voilà ce que nous avons laissé. C'est pas à eux de gérer. Non, mais et je reviens toujours sur ce que je viens de dire. On a vu un premier ministre qui a été débarqué, pris une affaire de 5 millions. On dit on ne veut pas les 5 millions, il faut qu'il aille en prison. Voilà une affaire où c'est des milliards, où c'est des individus qui sont normalement comment dire, euh, qui sont reconnus, qui sont identifiés. On dit non, euh, ils vont payer, et puis bon, après, mais quand ils vont payer là, tu penses qu'ils vont te dire tu vois, tu penses que ces gens-là vont sortir dire qu'un tel a payé à de tel montant, un tel. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est une façon de dire aux citoyens, bon, calmez-vous, voilà ce qu'on vous donne comme. Alors, on, Parle, de, on parle de justice, hein, la justice. Non, mais la, justice, aussi observe, la justice peut s'autosaisir. pourquoi ils se sont pas, parce que pourquoi ils se sont pas autosaisis? Hmm. Pourquoi? Ça fait des jours que ça, on a vu des affaires où c'est karma, on a karma dit à la justice, prends ce dossier-là en charge. Alors nous ah, allons. non, on a dit à la justice, prends ce dossier là la charge. Mais dans ce dossier-là, on n'a pas besoin de dire à la justice de. mais euh, euh, regardez comment on cherche à mettre la justice de côté. Le dossier, une fois transmis, les noms sont connus, hein. les montants détournés sont connus. On devait transmettre, ces, et euh, la justice va engager la procédure. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans le cas On dit recommandation. Le gouvernement, sur la base, le gouvernement décide. Le gouvernement n'est pas la allons justice. nous, allons, donner la parole à Memouna avant de passer au suivant Laisse-moi finir. Le gouvernement, c'est une institution à part. C'est l'indépendance. Et la, séparation, des pouvoirs. Mais comment on dit c'est le gouvernement qui gère le dossier Non, c'est pas une affaire de. Non, à partir du moment où les faits sont confirmés, c'est à la justice de prendre le dossier en charge. Voilà ce que les Nigériens attendent. Ce n'est pas autre chose. Hein. Ça dit, ça là, ça là, c'est trop facile de venir raconter des histoires. On va monter. De façon, tout le monde sait peut-être que cet argent est issu des prêts auprès des institutions bancaires que les Nigériens vont payer dans les années à venir. Parce que moi, je veux finir pour Mais si c'est de, bonne foi qu'on dit, on va prendre des sanctions administratives appropriées à l'endroit. Si réellement c'est de bonne foi, je vous assure, il y aura des services que même le planton va, va quitter. Parce que si on dit ceux qui ont pris des enveloppes dans ces affaires-là. Même les plantons vont partir. non, c'est parce qu'il faut qu'on arrête de jouer avec l'esprit des Nigériens. On a compris ça. ça, nous allons laisser à de, de... On donne l'opportunité à des gens de s'enrichir d'une manière extraordinaire. Toi, des gens qui étaient hier, mais attendez, même Dieu qui nous a créés, quand il donne l'argent là, qu'ils inscrivent la fortune sur votre tête, on sait comment ça va venir. Mais il y a des gens qui ça, ça, ça, nous allons nous allons laisser <laughs> Maimouna euh, euh, parler sur cette, question J'aimerais surtout parler du deuxième point où on dit de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs. Ça veut dire qu'ici, ce sont les fournisseurs qui, qui refuseraient de s'exécuter. Oui, les fournisseurs. On dit les fournisseurs. Mais est-ce que quelqu'un te donne le marché, c'est le fournisseur qui donne le marché c'est pas le fournisseur qui donne le marché. Aujourd'hui, quand vous regardez, de 2011 à aujourd'hui 2020, l'indice de développement humain, le Niger est toujours dernier. L'indice sur la corruption, le, Niger est toujours dernier. Le classement du Niger est déplorable. Ça veut dire quoi Ça veut dire ici, on cherche des boucs émissaires on cherche des poux là sur les têtes des personnes où on ne pourra jamais trouver de toutes les mille manières. Parce que, oui, en fait, pour terminer, mm. c'est juste pour dire que pourquoi nous, ce que nous attendons du gouvernement, c'était de citer de citer le Nigérien a droit de connaître aujourd'hui. De citer, vous voulez dire les personnes impliquées. X a détourné le montant, X est dedans. C'est ça que nous, les Nigériens... Avec des montants. Oui, avec les montants détournés nous par personne. Nous avons compris, mais maintenant nous, allons passer au second dans sujet. Mais cas, dans ce cas, demain, <laughs> vous me donnez le champ libre pour aller aussi détourner. Bien, mais maintenant nous passons au second sujet de, ce forum. Je le disais en début d'émission, lundi passé, le Premier ministre nigérien, Birgit Rafini, et les acteurs, en tout cas humanitaires, ont passé à revue le plan de soutien du gouvernement et le plan de réponse humanitaire. Je vous propose d'ailleurs de suivre le Premier ministre Birgit Rafini qui soulève la nécessité d'une coordination euh, des interventions. Les réponses aux défis humanitaires, aussi complexes, exigent une coordination effective et une complémentarité agissante entre les différents intervenants de la chaîne humanitaire. Pour répondre aux besoins humanitaires de plus d'un million huit de personnes ciblées par le plan de réponse humanitaire, sur une population dans le besoin estimé à 2,9 millions, la mise en œuvre de la réponse humanitaire au titre du plan triennal de réponse humanitaire nécessite la mobilisation de, l'ordre de 400 millions de dollars US pour l'année 2020. Alors vous venez de suivre donc euh, le Premier ministre Burji Rafini. Hussein qu'en pensez-vous de la complémentarité et de la coordination des interventions sur le plan humanitaire dont, dont parlait le Premier ministre Burji Rafini qui avait eu cette rencontre avec les acteurs humanitaires Alassane, moi j'ai dit, un pays. Ça fait des années, on est tout le temps là en train de tendre la main. Réponse humanitaire, il faut que les partenaires la viennent. La gestion des crises humanitaires, un pays, c'est quand même des projections dans le temps. C'est des ressources qui sont mobilisées. Mais non, on ne peut pas continuer chaque année à penser que c'est l'extérieur qui doit mener quand il y a catastrophe naturelle. Non. Bien évidemment, on ne peut pas dire non. Mais on ne peut pas. On vient dire, 400 millions cette année, millions de dollars cette année. 400 millions de dollars. de l'autre côté, pour 2020. C'est ça qui est dramatique. C'est ça. Ça veut dire que toutes les politiques qui ont été mises en œuvre au cours de ces huit ans, c'est des politiques contre-productives. Parce qu'un pays, vous devez pouvoir avancer je vois un peu, on fait le lien, on dit non, c'est un peu la démographie galopante et tout et tout. Mais la Chine a combien de millions d'habitants Les Occidentaux dans les pays, ils ont combien Mais là, il s'agit là, de personnes, des personnes tu sais, il, faut, il, faut, faire le lien, il faut faire la crise, comment dire, humanitaire là. C'est lié à quoi C'est lié à tout ce qu'on qu'on vient de dire là cette histoire d'insécurité et tout ça. Il y a l'insécurité hein, de façon, et il y a aussi l'insécurité alimentaire ah, qu'il ne faudrait pas omettre avec ces changements climatiques. Mais pourquoi euh, les gens mentent Pourquoi quand les gens mentent, quand vous savez que la campagne n'a pas été bonne, vous fabriquez des chiffres Parce que tout simplement, les moyens dont on dit avoir mis en place, ces moyens-là n'ont jamais, ces moyens sont allés dans des poches privées. Évidemment, il faut s'attendre à ce que les partenaires là, parce qu'ils ont un peu pitié de nous. On, leur demande de mobiliser. L'année dernière, 2019, c'était euh, le montant qui a été, c'était 383 millions de dollars. Ça a été mobilisé à hauteur de, je crois, 83 je crois, 59% euh, plutôt. 59%, 59%. 60%. Voilà. Mais cette année, ça va à 400 millions de dollars. Alors, on vient, on dit non, mais bon. parce que chaque année, il y a les besoins qui, les euh, besoins, lesquels besoins, varient. Il y a des situations qui, arrivent. On nous a parlé des troisièmes. là. Initiative, toi, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il n'y a pas de famine depuis, il n'y a pas, service n'est plus synonyme de famine. Ah, est-ce que aujourd'hui, quand tu vois dans Niamey le matin, les gens qui quittent les environs, qui rentrent, des femmes, des enfants qui devaient aller à l'école, qui sont là en ville en train de Pour chercher vous, à manger. Cette politique n'est pas une ah, réalité. Sinon, Bien. Non. Nous vous avons compris, nous, allons passer aux autres. Sont, Issa Amadou. C'est-à-dire reconnaître les problèmes, les prendre à ah, bras le, corps et puis solutionner ça de manière durable. Mm. C'est ça le plus important. Mais Issa Amadou. à chaque fois aux gens que non, non. Issa Madougou, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Alors, comment mobiliser un tel montant en un an avec euh, aussi des besoins pressants exprimés en tout cas, 1,8 million de personnes, c'est la cible hein, de, du, oui, c'est ça que, Mais il y a 2,9 millions de personnes, en tout cas, qui, qui sont dans les besoins. 2,9 euh, millions de personnes dans euh, les besoins. Oui. Et dans ces 2 millions, nous avons les déplacés internes, les réfugiés, les retournés, les réfugiés de, de, Maradi qui sont venus au Nigeria. Ah, il y a aussi les Nigériens dont la saison, à, ah, gros à grosse niveau, n'a pas répondu. Ils ont été victimes de, euh, des inondations et Alors, L'État a dit qu'il y a un plan de soutien qu'il a mis en œuvre parce qu'il ne faut pas oublier que le plan de réponse humanitaire, le plan que fait à partir d'avril, l'année humanitaire, alors, c'est ça que les gens oublient. Alors, acteurs sécurité que ces gens-là, même si que l'État dit que non, nous on avait, on a, on a entendu, on a dit 20 milliards pour soutenir. la fin, ça c'est le plan, c'est le plan de soutien. du gouvernement. Oui, 10 milliards pour, de plus pour la région de, Difa. Ce C'est pas que tout ça qu'on refuse. Mais alors, créons les conditions pour que au minimum ces 399, soit 400 millions de dollars, euh, puissent vraiment servir les, personnes vulnérables. Parce que c'est quoi aujourd'hui Ce n'est pas tout ça que les gens dénoncent, mais qu'il faut qu'on développe des capacités de résilience. Un pays, c'est ça. Mm. Tout à l'heure, Ousseini a dit, si un pays continue aujourd'hui chaque fois à prendre les mains, à faire les mêmes, répéter les mêmes erreurs, ce qui veut dire que Pour vous, les capacités de résilience, c'est quoi Mais aujourd'hui, on a dit. Parce que le pays, le Niger est confronté à des défis sécuritaires, des et aussi les défis environnementaux. les défis sécuritaires sont là. Mais maintenant, on, sait que les changements climatiques sont là. Normalement, on devrait adopter toutes les politiques en matière agricole, élevage, tout ce qui concerne l'activité rurale, vraiment assez à ce changement climatique pour que au moins les gens puissent être résilients et développer des nouvelles techniques de culturelles. Mm. Donc tout ça, oh, ce n'est que dans les ateliers que les gens en parlent. C'est d'autres pays qui viennent s'inspirer, mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui est en train d'être fait Mais tu sais tout ça. Mais moi, personnellement, ce que je vois dans ce plan, mm. ce n'est pas le fait de dire que non, on va, mais comment on va se faire la gestion Parce que quand on prend de 2015 à aujourd'hui, pour le cas simplement de la région de Difa. Ce qu'on dit avoir dépensé dans l'humanitaire peut développer le Niger en entier. Alors pourquoi là-bas C'est quoi On banalise tout dans ce pays. Le même jour où le Niger faisait le lancement de ce plan, donc même les partenaires disent que par rapport à l'année passée, c'est qu'on constate une réticence des partenaires techniques et financiers à, donner leur argent pour la réponse humanitaire. Il plaide pour qu'un pays comme le Niger, même les partenaires techniques et financiers, au même moment au Nigeria voisin, voilà pour la première fois, je vais prendre exemple sur quelqu'un que je, n'ai jamais supporté, Boari. Mm. Moi, je ne l'ai jamais supporté. Mais il a posé un acte le même jour, le lundi, qui, si au, Niger, on est sûr, c'est comme ça on devrait faire. L'action humanitaire. Mm. Il a créé une commission indépendante de contrôle et de coordination de l'action humanitaire où tout ce qui est en train de parce qu'il faut mettre fin l'humanitaire là où ça s'implante. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, même si c'est fameux nexus où on dit humanitaire développement, à quoi ça sert nos communautés à quoi ça, ça agit, dit nos communautés à l'assistance éternel. Les gens sont en train de dormir, ils ne développent aucune capacité aujourd'hui de se pouvoir s'auto-suffire, s'auto-prendre en charge tout ça. Il y a des facultés innées. Pour vous, hein, c'est que le gouvernement ou l'État du Niger doit apprendre, en tout cas, à, développer la résilience auprès de ses communautés. L'État, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de partenaires. Hum. Mais quand même, quand vos partenaires vont venir, quand même, il faut leur dire voilà, j'ai demandé à ce que vous soyez là pour m'épeler, mais voilà la manière par laquelle je vous récompasse pour bien travailler. Voilà nos priorités. Voilà ce qu'on voulait. Mais normalement, tout cela est fait. Hein? Ah bon Vous êtes sûr Normalement. mais écoutez, il, suffit de faire un tour dans les camps. Je vous assure que c'est l'assistanat. Les gens sont réduits. Quand vous discutez avec ces gens-là qui sont déplacés, parfois vous avez. ça veut dire qu'il n'y a, pas, il un système qui, permet de sortir de, les gens sont là dans les camps attendre la main. Quand il y a, dès qu'ils voient même un véhicule, vous allez voir dans les camps. il faut faire ici, à Walam, ou bien dans la région de Difa. Vous allez voir. Tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé Bon, pas nous pas revenir sur non, ça. C'est surtout récemment une distribution de vivres. Vous voulez parler des, bousculades. Une bousculade qui a fait 20 morts. Si aujourd'hui, il y a l'action humanitaire a été bien coordonnée, vous pensez que les gens, aujourd'hui, pour un sac de riz ou bien un kilo de kilo, ils vont se déplacer Non, mm. parce que il, faut que ça soit vraiment du concret. Alors, mm. Maimouna, alors, pour vous, sur quoi il faut mettre l'accent aujourd'hui pour faire davantage face à cette situation d'insécurité alimentaire et pouvoir mobiliser ne serait-ce qu'une grande partie de des fonds euh, pour, pour assister ces, personnes. Je, reviens à ce que Issa a dit tout à l'heure, qu'il faut développer euh, un système, un système d'abord de contrôle humanitaire, parce que ça de contrôle de l'action humanitaire, de l'action humanitaire, parce que ça manque euh, cruellement, en tout cas au Niger. Et de deux, c'est la résilience aussi. Il faut apprendre à ces populations à vivre de, leur capacité aujourd'hui euh, de, faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes, c'est déplorable quand on regarde le Niger a plein de ressources quand même. Et on n'arrive pas jusqu'en 2020 à sortir de cette crise de famine, mais c'est déplorable. troisième, c'était réfléchi pour ça. Mais aujourd'hui, je reviens encore sur le détournement de, des 1000 milliards là. Ça pouvait aujourd'hui euh, couvrir euh, tout le pays et sur le plan humanitaire, d'aide humanitaire qu'on demande à d'autres personnes d'investir aujourd'hui. Je pense également qu'aujourd'hui, c'est quand on réunit l'argent, je pense que c'est pour un certain nombre de, une, une, une d'autres personnes en fait qui s'accaparent de ça en fait ça ne va pas c'est pas destiné aux personnes vulnérables aux, c'est un, oui, oui, oui, appel, hein. qu'ils ont lancé je sais mais en 2019 c'est maintenant qu'on a ouvert la caisse de tontine pour il faut regarder, les contributeurs le cas c'est hmm. pas aujourd'hui seulement en 2020 que ça a été lancé hmm. il y a d'autres années hmm. qui ont précédé et aujourd'hui qu'on demande à ces, à, ces, partenaires de mobiliser de l'argent mais il faut d'abord que le Niger aussi investisse montre d'abord la bonne foi. En fin décembre, quand même, le gouvernement a annoncé que sur les 20 milliards du plan de soutien, déjà 10 milliards étaient à, peu près, à peu près, je n'ai pas vu de 10 milliards, mais ça a été annoncé. Même, ça si a été annoncé. même si parfois, Hussein l'a dit tout on veut voir, on, on veut croire à ce que fait le gouvernement, c'est que on soit à mesure de voir ce qu'ils ont la dit réalité, dans la réalité. On veut voir la On a dit 20 milliards. Et si vous vous rappelez, le budget 2019 a été modifié pour 2 milliards et quelques. Le ministre de l'Action humanitaire a rappelé cela. On a parlé de 20 euh, milliards, 10 milliards de plus. Je, vais, un peu augmenter. Oui, oui, pour dire oui, aujourd'hui, le malheur aujourd'hui qui frappe le Niger, c'est que, vous m'excusez, nous n'avons pas en fait de stratégie de développement. Euh, pour la résilience. Nous n'avons pas également, quand vous regardez mm. aujourd'hui au Niger, on a besoin de sécurité. Il n'y a pas la sécurité. On a besoin de, des jeunes et de populations bien éduquées. Aujourd'hui, ça manque. L'éducation, ça manque au Niger. Mm. On a besoin d'avoir une population aguerrie, une population aujourd'hui qui peut manger à sa faim. Ça manque au Niger. Donc, si mm. les trois conditions ne sont pas réunies, c'est très, très, très difficile qu'on sorte, même si on ne fait pas attention. En 2021 aussi, on va lancer le même plan d'action. le même plan euh, humanitaire, d'aide humanitaire. Nous n'avons pas assez de temps, nous de Je vais juste augmenter. Quand j'entends les mots résilience et tout, quelqu'un qu'on a fait partie de son champ, et de comment comment peut-il être résilient Parce qu'il n'y a plus, il n'a plus le moyen de, de production. Mais, c'est ça, on, a fait en sorte, on a bien créé les conditions pour que ces gens-là retournent là où ils vivent là où ils peuvent trouver des mécanismes. Bien. On te, te, te, parque dans un camp, ah, tu vas être résilient comment nous allons passer au dernier. S'il vous plaît, nous allons passer au dernier point, au dernier point de ce forum. Je le disais tout à l'heure que les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis donc à Nouakchott euh, mardi dernier pour discuter de la stratégie de lutte contre le terrorisme dans l'espace commun que le Sahel, dans leur communiqué final rapporté par le site web euh, du G5 Sahel, les chefs d'État du G5 Sahel ont réaffirmer leur ferme détermination à mettre fin donc à la multiplication et à l'expansion des attaques euh, terroristes. Ils ont renouvelé leur engagement à renforcer la coopération de la lutte contre le terrorisme et à poursuivre la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel à travers le partage justement des renseignements et la, mutualisation des moyens, notamment aériens. Les chefs d'État ont également appelé la communauté internationale à soutenir les États pour faire face à la crise humanitaire, en tout cas dans, ces pays. Alors, Hussein Issa, on a vu que ces derniers mois, des attaques terroristes ont secoué quelques États du G5 Sahel et il y a eu aussi beaucoup de rencontres euh, de ce, cette structure, de ce regroupement, le G5 Sahel. Comment ce sommet du G5 peut-il faire, en tout cas celui de Nouakchott, peut-il faire la différence Ça ne fera aucune différence. Aucune différence. C'est le même discours qui est tenu. Il y a eu combien de réunions Aucun. Moi, j'ai dit, quelque part, quand Issa vient de le dire, des gens en Yalabia, ils viennent, ils s'en prennent à des positions militaires et ils font des dégâts. Les gens se réunissent là-bas, ils, papotent les, chefs d'État. Voilà les mécanismes. Non, moi je dis, il faut être sérieux. Quelque part, j'ai comme l'impression que c'est un fonds de commerce pour les chefs d'État. C'est pas autre chose. Parce que si chacun s'y met, ton territoire, c'est ton territoire. Et je l'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre que, par exemple, le Mali, où on considère que les attaques proviennent du Mali, ça dit que c'est des gens qui quittent le Mali, qui attaquent le Burkina, qui attaquent, euh, comme avait dit, notre, notre, pays. Mais comment on peut considérer que pendant des années, voilà un pays, on dit que le Nord, le Nord, ils vont jusqu'à vouloir négocier avec euh, les chefs djihadistes, parce que tout simplement, c'est une attitude défaitiste. Quand même, c'est une option aussi, hein, dans un conflit. Non, non, non, moi j'ai dit, hey, hey, une guerre là une guerre classique. C'est d'accord, mais les Occidentaux ne sont pas épargnés par rapport à ce phénomène de terrorisme. Alors, mais vous, ne croyez pas à cette, à cette, rencontre y a eu, moi, Parce qu'il faudra. Non, s'il te plaît, il y en a combien Il y en a eu combien Ces rencontres-là ces rencontres où stratégie, on va, on, va, on va peaufiner la stratégie. Mais après, ça donne quoi ça donne quoi Est-ce que ça empêche que les terroristes là parviennent tout le temps à poser des mines par des engins explosifs improvisés, et, comme on avait dit, attaquer des positions <coughs> civiles, des positions militaires Alors vous, vous ne croyez pas en hein, Non, bien. non, vraiment. Nous avons compris si. Voilà, Maimouna, Maimouna Diado, est-ce que vous ah. pensez qu'il y a des chances que, en tout cas, ces e euh, sommet du G5 Sahel tenu à Nouakchott puisse avoir un écho favorable auprès des partenaires euh, je rejoins également Husseini. Je ne vois pas. En tout cas, je ne vois pas la fin de cette crise. Je ne vois pas sortie de crise. Je ne vois pas également ce que eux, les chefs d'État du G5 Sahel, proposent. Pourquoi c'est pessimiste Parce que tout simplement, on a vu ces plusieurs réunions. C'est des réunions où il n'y a rien comme concret. C'est des réunions, on se rencontre, on parle, on, les montre à la télé, ils sont là, on les montre, ils font leur show, parce que pour moi c'est un show. Et on revient, chacun revient, chacun retourne dans son pays, rien, il n'y a rien. Sinon, s'il y avait quelque chose, en fait, on ne serait pas arrivé à là. Il y a eu combien de réunions du G5 Sahel Le Niger a organisé combien de réunions ici du G5 Sahel Burkina, euh, on parle du, Mali aujourd'hui. On dit que les djihadistes viennent du Mali. Mais bon sang, si les djihadistes viennent du Mali, pourquoi le Mali lui-même ne peut pas aujourd'hui, ou nous-mêmes, les Nigériens, ou bien le Burkina Faso, euh, on sait où se trouvent, par exemple, ces, djihadistes Si vous dites que ça vient du Mali, mais cherchez d'abord à comprendre au Mali où. Et tout le monde sait c'est où. Maintenant, avec la force là, mettez votre force, les forces là, euh, conjointes, à la disposition de l'armée, de vos armées, et finissons-en. Mais je pense qu'il y a un business qui se passe autour de cette question. Il y a un business. C'est comme si y a certains chefs d'État qui ne veulent pas de la fin de cette crise. C'est ça en fait. Issa Madougou, est-ce que vous pensez également que euh, euh, finalement cette crise s'enlise, s'enlise, il y a des rencontres qui finalement euh, n'ont pas euh, l'effet escompté. Bon, moi je pense que ce sommet euh, ordinaire du G5 Sahel, c'est... Parce que souvent c'est au cours de ces sommets que des stratégies ça, sont, ça, décidées. Un peu, il y a des rencontres des experts, des ministres de, des Affaires étrangères, des ministres de la, sécurité. sécurité. Bon, la première des choses que je dirais de ce sommet, c'est un défi pour la Mauritanie qui va prendre la présidence. Parce que la situation a commencé à se détériorer d'une manière considérable en 2017 quand Ibeka était à la tête présence en exercice de G5 Sahel. Issoufa avait pris le relais en 2018, 2019, rock, la situation s'est embrasée. Donc pour vous, à chaque fois qu'un président prenait la tête, j'arrive, j'arrive, j'arrive, Non, non, non, c'est que je suis en train de faire un peu la chronologie des faits. Maintenant, en 2020, c'est le tour de Gazawi, Gazouani, le président mauritanien son défi, c'était aujourd'hui de nous partager, durant son mandat, la recette mauritanienne qui a fait en sorte que la Mauritanie n'est pas touchée par le terrorisme. Ça, c'est l'un des défis. C'est un défi aujourd'hui pour le président mauritanien. Il doit partager cette recette avec nos pays pour nous dire comment la Mauritanie est exempte des attaques terroristes. C'est la première des choses. Deuxièmement, moi je pense que ce sommet encore, le président en exercice a un autre défi. Lequel c'est de la mutualisation des efforts, notamment le renseignement. Mais maintenant, de l'un de l'autre côté où les pays demandent pour qu'on euh, on trouve des financements, mais c'est ce qu'on a dit au début de cette émission. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner son argent pendant que vous, votre argent même, vous êtes incapable de la gérer, de gérer ce, euh, cet argent-là d'une manière rationnelle. Donc pour vous, hein, les chefs d'État des, des, pays membres la seule du doivent donner des, ben gages effectivement, ils ont intérêt à moraliser gérer les, fonds qui vont. Euh, les chefs d'État du G5 Sahel, chaque pays parmi les cinq doit moraliser la gestion des finances publiques, notamment dans le secteur de la défense, afin que les autres, si aujourd'hui les partenaires hésitent à nous accompagner parce qu'ils constatent qu'il y a une certaine banalisation de la corruption, il y a aujourd'hui le fait qu'on a dépénalisé même dans certains pays les détournements des deniers publics. Ah. donc, comment eux, ils vont avoir, quelle assurance ils vont avoir s'ils donnent leur argent Aujourd'hui, c'est le défi tout ce qu'on attend aujourd'hui. c'est la lutte contre la, corruption, c'est l'efficacité de la dépense de dans ces pays du G5 pour encourager les partenaires. Effectivement, ça, pour finir, ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la présidence mauritanienne du, de l'organisation G5 Sahel, que la Mauritanie soit en mesure de partager avec nous sa recette ça, c'est votre. Euh, oui. Alors, ça, nous sommes, pour nous au terme du forum de la presse d'aujourd'hui. Ça, malheureusement, le temps file. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce vendredi 28 février 2020. Merci de, l'avoir suivi et merci aussi à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Nous étions en compagnie de nos confrères, je le disais, Hussein Issa, journaliste freelance, Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tamba, à, la, télévision Tambara. Voilà, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la régie vidéo assurée par Mustafa Ayouba. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes, le forum en Hausa sur les préparatifs de la fête tournante du 18 décembre d'IFA Ngala, ça c'est pour samedi, et dimanche le forum en Zarma sur le thème utilisation des réseaux sociaux par les religieux. Bonsoir.